et enfants de Marie, que la Vierge de lumière, élevée dans la gloire du ciel auprès de son Fils Jésus, continue de nous combler des bénédictions maternelles qu'elle reçoit de son Seigneur. Qu'elle nous soutienne tout au long des jours par sa prière maternelle pour nous faire vivre un enfant de lumière qu'elle porte à Jésus avec nos louanges et nos actions de grâce, toutes nos demandes de ce jour. C'est cela ma prière pour chacune et chacun de nous aujourd'hui. Révérend Abbé Lutomambaï, vicaire épiscopal, Révérend Abbé Etienne Diandienne, président de notre célébration et représentant Monseigneur André Gueye absent, Monsieur Alphonse Tchou, directeur de cabinet de Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Madame Marie James Ngomdiaye, et toute la délégation qui vous accompagne ce jour. Messieurs les maires, Yves Lamine de Moroland, Lazare Tchao de Pambal et Magay de Noto, et tous vos conseillers municipaux ici présents, Monsieur le directeur général de la santé de Thiès, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux et religieuses, messieurs les chefs de village de la commune de Moroland, honorables invités, avec vos titres, dans et grades, chers paroissiens de Moroland, à la fin de cette belle célébration eucharistique, marquant le sommet de notre vie paroissiale, au pied de Notre-Dame de l'Assomption, je voudrais, en union avec tous mes collaborateurs, Abbé Henri Alphonse, l'abbé notre séminaire, il est en stage ici, l'abbé Augustin, voilà, les religieux de l'Immaculée Conception et les membres des conseils pastoraux et conseils économiques, adresser quelques mots de remerciement à l'endroit de tous celles et ceux qui, de près ou de loin, ont bien voulu nous soutenir pour la réussite de cet événement. Merci d'abord à vous, révérend Abbé Etienne Diandienne, représentant Monseigneur André Gueye Abbé Etienne, nous ne pouvons que confier votre nouvelle charge pastorale et cette noble et lourde mission qu'on vous a confiée à la tête de la Caritas diocésaine à Marie Notre-Dame de Morolan. Votre homélie a été très éloquente, n'est-ce pas Vu les applaudissements. Vous nous avez laissé un enseignement d'une grande importance savoir que Marie a été comblée de grâce, Marie a été élevée au ciel parce qu'elle était bonne. du loolu la wax looy def def ko ci lu baax looy wax waxal lu baax Mariam, lu bax limu mu doon def motax yalla yàlla ko baxa baaxaay bi moko sellal kon ñun tamit nañu wëy di roy ci baaxaayu Mariama nañu wéy di roy ci suñu ndey mu ñuy Notre Dame de que suñ ko defee rek dinañu mucc kon merci l'abbé pour ces mots si profonds et j'espère que tout un chacun toute une chacune de nous pourra y puiser pour mieux servir le Seigneur à la suite de Marie, notre mère, elle qui sera mieux orientée, nous orienter vers son Fils Jésus. Merci. Merci à vous, Monsieur Alphonse Tchaou, directeur de cabinet de Madame Marie-Khemes Gomdiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, et à toute la délégation qui vous accompagne, pour votre présence effective et surtout brillante. Merci pour votre soutien multiforme et très généreux à l'endroit de nos postes de santé ici à Morolan et aussi à l'endroit de toute la communauté paroissiale qui a comme projet la réfection du milieu du cimetière, et l'agrandissement. Nous avons bien reçu votre participation à cet effet. Que Marie Notre-Dame de l'Assomption de mont vous accompagne, vous soutienne, intercède pour vous auprès de son Fils Jésus dans vos charges si nobles mais si lourdes, vous direz à Madame la ministre que nous, fils du nous la porterons toujours en prière dans ses tâches. Nos remerciements vont encore à l'endroit du chef de l'État, M. Macky Sall, qui continue avec nous les travaux de l'aménagement du sanctuaire Don dont les travaux, toujours en cours, ont été très bien avancés. Je crois que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, nous pourrons faire la procession jusque là-bas pour honorer Marie au pied de la colline. Merci à vous. Merci aux autorités administratives. Merci à vous, Monsieur Yves Lamincis maire de Mont-Roland et à vos collègues ici présents qui ont répondu à notre invitation et à tous vos conseils communaux. Nous disons un vibrant merci avec Monseigneur André Gueye, Yves Laminsis, ils ont été les initiateurs pour inviter les maires chrétiens à cet événement depuis l'année dernière. Tous n'ont pas pu répondre pour diverses raisons. Mais nous les remercions tous du fond du cœur pour le travail énorme qu'ils accomplissent dans les communes de notre pays, le Sénégal. À vous qui êtes ici aujourd'hui, M. Magui et M. Lazare, merci pour votre présence na leen taxaw na leen may leen kattaan yi ngeen di toppatoo mbotay yi ñu leen denk sa mbir commune ndax ñu mën a ndax ñu mën a dund dund gu neex dund gu sawa dund gu yaatu vraiment naa leen ci yalla jàppale vraiment merci pour votre présence ici puisse Marie la Vierge Mère de toutes les grâces vous obtenir auprès de son Fils grâce et bénédiction Monsieur le maire, il a 26 et à tous vos conseillers. Encore une fois de plus, merci pour vos soutiens pour cette fête et d'autres événements. Merci pour ce que vous faites pour le bien-être des populations. Et je vais vous faire savoir que s'il y avait coupure d'électricité aujourd'hui, comme l'année dernière, nous n'en souffrions pas parce que le maire a mis à notre disposition un grand groupe électrogène qui est là derrière. Merci. Ça veut dire finir les coupures d'électricité pendant nos célébrations eucharistiques. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué financièrement ou de leur personne pour faire face au aux nombreux défis qu'occasionne un tel événement. Et je dis un merci à M. Daniel Bay, je ne sais pas s'il est là, qui nous a aidés, à M. Victor Sis, président des ressortissants NOUT à Dakar, je ne sais pas s'il est là, à M. Maître Antoine Beng. Ils ont beaucoup aidé également les jeunes pendant le tournoi de la Coupe Tchorfel et certains ont été même les parrains. Je tiens ici à les remercier. Au nom de tous les jeunes, remercier la Fédération sénégalaise également de football qui a mis à la disposition des jeunes pour le tournoi des maillots et la coupe qui a été gagnée par l'équipe de la COB de Paramkoui. Voilà, Paramkoui, félicitations pour la deuxième fois. Merci à tous les jeunes chrétiens pour ce tournoi de la Coupe Tchofel. 25 matchs, 25 Tchofel sans histoire. Vraiment, nous continuerons. Voilà. Nous avons organisé cette culture fête pour que les jeunes puissent se connaître d'abord, pour que les jeunes puissent s'entendre et puis surtout pour, que les jeunes puissent témoigner de leur foi en Jésus-Christ. ne baissez jamais les mains continuez les nids vraiment merci et félicitations à tous les jeunes de la paroisse je dis merci également à l'endroit des forces de l'ordre et de sécurité et de la santé qui sont là présents, la gendarmerie surtout, qui est là depuis ce matin, les postes de santé publique de Mont-Roland, le dispensaire des Sœurs de l'Immaculée de Mont-Roland. Monsieur le directeur de cabinet, vous avez entendu tout à l'heure les doléances de Monsieur le maire. Je sais que vous saurez mieux les porter auprès de Madame la ministre. Grand merci aux différents médias ici présents. Je ne saurais les citer tous de peur d'en oublier. Néanmoins, je peux citer BNFM, FM, FM qui sont là sur place et notre service diocésain de la communication, SEDICOM qui sont en train de transmettre en direct cette messe. Merci à tous les, tous les médias qui vont, différer, qui vont transmettre en différé ou par écrit ou bien à travers les journaux cette célébration. Tout à l'heure, nous pourrons vous accorder au moment pour pouvoir faire un point de presse avec euh, les autorités ici présentes. Merci à vous. Merci les lecteurs, les enfants de cœur, les responsables du service d'ordre. Merci surtout au, au choral. Nous avons la chorale grégorienne, nous avons la chorale d'ici de Moroland. C'est vrai qu'on n'a pas impliqué la, chorale des enfants. Il y a la chorale également des ressortissants du Moroland à Dakar. Vraiment, merci à vous. À vous. La messe a été belle. J'ai vu Maestro Casimir VI à la guitare basse. Merci. Et je ne peux pas aujourd'hui revenir pour dire un grand merci à tous les enseignants du Morola. Vous savez pourquoi Vous savez Vous savez pas Les enseignants du Morola, quand on a organisé notre dîner de gala, ils nous ont remis une enveloppe de 1 775 pour la réfection du mur du cimetière. Vraiment, nous leur disons un grand merci, sans oublier que c'est les forces de l'ordre et de sécurité qui ont commencé l'année dernière. Même si nous ce n'est enseignant, parce que enseignant, nous Et l'année prochaine, on va voir, je quoi que c'est qui Le personnel de la santé. Personnel de la santé c'est eux qui vont gérer l'année prochaine le dîner de gala. Voilà, monsieur le directeur de cabinet, vous avez entendu. On va les mobiliser. Merci également à toutes les familles, les nombreuses bonnes volontés qui ont contribué pour vraiment mettre à jour ce projet paroissial avec le comité chargé du cimetière, nous verrons comment entamer sans tarder les travaux pour le mur et l'agrandissement du cimetière. Et avant de finir, je voudrais remercier devant tous, parce que certains ne seront pas là, si tous les ressortissants, Monsieur l'abbé Henri Alphonse. Vous avez appris que l'abbé Henri Alphonse a été nommé curé de la paroisse de Sangué. Il a travaillé ici pendant six, six ans. Et surtout, il a plus travaillé avec les enfants et les jeunes. Nous aurons le temps, avec les jeunes de la paroisse, de lui dire merci. Mais aujourd'hui, devant vous tous, je tiens à lui dire un grand merci pour le travail qu'il a abattu. Il est petit, mais il est efficace. Victor, n'est-ce pas Je vous vois là.

qui vont se rencontrer demain. Nous aurons la journée demain. Nous commencerons par la messe ici à 10 h Après, nous aurons une rencontre dans la salle avant de passer vraiment une journée ensemble pour nous vraiment pour l'être ensemble. Voilà. Vive la fraternité. À vous tous et toutes, je souhaite une bonne fête de 15 août. Et il y a un prêtre qui disait khumbu te yem. Bon, te yem bu kenn bonne journée. oui maa ngi leen di gërëm ci laaj bi ngeen laaj tey ngi teew fi ak délégation bima gungé ministre de la santé le docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moo ñu fi yónni won ñu teew fii ndaxte bu ñuy jublu ci fête bi abé bi da ko yëgaloon ni euh, paroissien dañu bëggoon mu nekk maréno xewté bu ñuy xumbal yéegu Mariama ci Yalla mu nangu ko ànd ci ak mbekté bu reuy mu bëggoon nak bu ñu fi téwé tay mu gërëmal ko population Morlan bi yépp bu ma né population Morlan bi dama ci limalé itam ñëpp ñi dékk ci paroisse bi té bi yalla défé ba président jox ko ndomb tank yu mu ko jox mu nekk ministre de la santé et de l'action sociale yëg na ni waa Morlan taxawu nañ ko yónnee nañ ko ay ñaan té tamit jox nañ ko ay message d'encouragement moo tax itam mu santone bu ñu fi téwé ñu gërëmal ko nit yi bu baaxa baax

ñu fexe ba gox yi ak gox goxaat ñu nekk ñu mën fa yóbbu loo xamante dina tax ba population yi ñu mën am soins de santé yu baax te ci tëralin boobu Morlan da cee bokk li maire bi wax sànq ci église bi dégg nañ ko trop danañ ko eggalee madame le ministre de la santé et de l'action sociale mo mën fi wax légui léegi nii danañu gis ci lu yagul dara ni li maire bi. Euh, ñaan ngir ñu andi ko fii renforcer poste de santé yi fi nekk dispensaires yi dinañ ko dinañ ko eggee kilifa gi te dinañ ci def jéego yoo xamante ne bu nu ko andee fii population bi dina kontaan may fàttali ni lépp loo xamante ne andi nañ ko fii day fekk euh, dina nekk ci Morolan waaye tund gi yëpp kay bénéficier commune yi nga xamante ne war na Morolan ak population yi fi nekk yëpp loolu laa ci bëgg noo ma leen di gërëm encore. gërëm ko ci bés bu rëy bi tey ci biiru commune Morolan ndax lii mooy feetu. jàngu moro la Notre Dame de l'Assomption bés bii nag labbe bi toog nañu waxtaan ñu xalaat ndey ndey la ko Marie Khemesse Ngom Ndiaye mu nekk ministère bu yore wàllu gu yaram donc ci loolu moom mu nangu ko donc ba démb jàppoon nañ day ñëw mais ba dernière minute am ay jafe-jafe ci liggéey bi moom mu war a toog pour saytu loolu moo tax mu yebal fii directeur de cabinet yebal aussi ànd ak ci médecin chef régional ànd ci ak ñoom Madouche Gueye yoo xam ni ñu ngi ministère de la santé ñoom Henri Mbengue ak ñëpp ñi nga xam ne ànd nañu ak ñoom ñu gërëm leen bu baax ndax ministre bi ñëwul waaye ku mu yónni na sëkk te doy tamit moo ñu war ko gërëm sant ko ci teewaayam di ñaanal yàlla tamit ñaan yu ñaan ñaanal madame le ministre ñu ñaanal ko tamit yàlla gën ko may promotion ci liggéeyam loolu la nit moom boo koy ñaan ñaanal ko wérgu yaram mais ñaanal ko aussi mu progressé ci lu muy def en tout cas ñu ngi koy gërëm di ko sant Alphonse Thiaw mi xam ni moo jiitee délégation bi di wax ni rek Morlan gërëm na leen Morlan gërëm na leen parce que Morlan lu mu doon séentu ci yéen am na ko maanaam mooy ngeen jàppale leen ci wàllu wérgu yaram te loolu yéen a ngi koy def kon dañ leen war a gërëm sant leen même bi vrai que sax commune Morlan mu ngi jéem ci wàllu wérgu yaram waaye suñu am am mënul attanul loolu chantier dafa cher te chantier amul amul amul bénéfice da ngay dépense mais amul recette moo tax ñu war a ñaan pour que ministère bi gën a jàppale en tout cas commune yi ci àll bi pour que vraiment santé bi gën a ñëw léeg-léeg nit day jóge fii dem hôpital warul dem hôpital pour man poste santé war na mën jël yenn yi donc loolu ministère bi na ci góorgóorlu pour que vraiment poste santé yi nekk ci biir àll bi yàlla may leen ñu may leen en tout cas vraiment équipement bu doy équipement boo xam ne dinañu jël en li ëpp ci santé bi loolu la ñuy ñaan en tout cas ñu gërëm ko mais ñi ñaan tamit xëy na waxuma ko sànq ci français remaniement mu ngi ñëw dañoo bëgg Morlan dafa wax ni Macky Sall na tabaat Marie Khemesse parce que pas parce que dañ koy jàppale pour fii la dëkk mais dañoo xam ni mën na liggéey bi te dina ko yóbbu ci kanam soobu yàlla ndax wóolu nañ ko